À partir du lundi 25, tout le personnel sera présent, le, personnel d'appui et administratif sera présent dans les établissements pour euh, déjà se mettre à la tâche, mettre en place un dispositif qui va nous permettre d'exploiter au maximum les 45 jours. Parce qu'il va falloir regarder nos emplois du temps, il va falloir regarder s'il nous faut mobiliser plus de personnel, notre personnel d'appui qualifié, je parle des censeurs, je parle de certains agents des bureaux qui sont des enseignants, nous ferons appel à eux pour que nous exploitons au maximum les 45 jours. Et pour ce qui est des mesures barrières, nous sommes aujourd'hui là pour le lancement des désinfections de nos classes. La ville est en train de faire tout ce qu'elle peut, tout ce qui est à sa portée. Ce n'est pas dans le cadre de cette reprise du 1er juin, il faut aussi dire que la ville nous a appuyés pour la reconstruction de ces classes. Parce que dans beaucoup d'établissements, surtout non clôturés, nous avons des classes payotes où carrément les secours sont détruits, sont emportés. Et la ville a décidé de nous appuyer pour reconstruire ces classes et même nous fournir du plastique pour pouvoir plus sécuriser ces classes paillotes.